Les objectifs du festival, c'est véritablement de faire en sorte que la ville de Thiès soit beaucoup plus attractive parce que cela nécessite des animations, notamment du point de vue culturel, en plus du cadre de vie euh, et des infrastructures qui existent au niveau de la localité. Euh, je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir une vie culturelle euh, permanente au niveau de Thiès. Et cette activité de festival sera l'événement phare qui va permettre d'impulser euh, toute cette créativité culturelle au niveau de Thiès. Et d'autre part, nous savons que nous avons énormément d'artistes au niveau de Thiès. Et il manque souvent des infrastructures, des équipements culturels ou bien des espaces d'expression. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, cet engouement des acteurs culturels de Thiès, et je pense que c'est un cadre d'expression extrêmement important euh, qu'on va offrir à ces artistes. Nous sommes venus di festival euh, Kaay Biwara euh, à partir du 29 décembre bi le 30 ou 31 décembre muy avons activité pour xam ne tout le programme Kaay parce que nous avons le festival bi mais en même temps ñu devons aussi la foire internationale de Thiès ak le forum des partenaires à Thiès Nous gis nañ que les cas Thiès bi dafa am volet yu diplomatique bi santé bi ak volet investissement nous ñu ngi jëm ci festival bi bëgg nañu mu permettre de bi am animation xale yi euh, bëgg mag aussi euh, ñu bëgg nous permettre son artistes qui yu mais tamit artistes Sénégal euh, pour véritablement et permettre à ce que population yépp xamné Thiès capitale culturelle Sénégal. Thiès culture la xam ko ci mais aussi ay homme de culture yu mag ndax Senghor ñi ko nekk maire Thiès xam nañ am fi ñu melni ay Baye Gana Kebe ay Abdoulaye Ndiaye cosaan té dina festival bi sax dafay nekk occasion buy permettre ñu sargalat Abdoulaye Ndiaye cosaan ndax amna prix Abdoulaye Ndiaye cosaan bu ñu wara lancer ci ci festival bi et lool tamit dina permettre que artistes yi am émulation comme ça mu nekk ay concours yo xamné ne ah ñun kat war nañ gëna gor gorlu comme ça ñu am ci yenn raaye yi Euh, wala toll si dimension homme de culture yooyu fi nekkoon. waaw ñu ngi ci ñu ngi si liggéey bi ñëpp a ngi ciy jàpp acteur culturel yi ngi ciy jàpp mairie bi mu ngi ciy jàpp euh, ñu ngi liggéey ak ay acteurs yoo ay waaw Thiès yoo xam ne.

Wow, je suis mais dañuy am toujours yaakaar solution si l'organisation. Euh, organisation mais on a bon espoir parce que équipe de di liggéey donc euh, c'est l'occasion nous remercier parce que nous condition mais euh, nous et aussi journalistes acteurs bëri ñu nekk si Thiès euh, appui bu ñuy indil je pense que ñuy encouragé et que mën nañ dem si euh, événement bi sans ñu am dara lu ñuy ragal.